La mise en œuvre des politiques d'infrastructure, particulièrement les infrastructures de transport qui sont engagées depuis 2012, la gouvernance du président Macky Sall. On ne les fait pas par clientélisme. On ne les engage pas pour gagner des élections. On les engage sur la base d'un mot qui a été vulgarisé depuis la mise en œuvre du plan Sénégal émergent qu'on appelle l'équité territoriale. Je pense que si le président Macky Sall parle d'équité territoriale, certains députés qui habitent Sejou, qui étaient de l'île à Morphine, qui sont de la Grande Casamance, qui sont au niveau de Fouta, peuvent témoigner, au vu de la démographie électorale du Sénégal, que ces choix mis en œuvre répondent à l'équité territoriale. Ces choix mis en œuvre répondent à une seule exigence, un indicateur, l'opportunité économique des routes que nous sommes en train de faire. Et cela, ça se voit sur le terrain. Quand on vous dit l'île à morphine est désenclavée, et c'est pour exploiter les potentialités économiques de l'île à morphine. Quand on vous dit la Grande Casamance, c'est dû aujourd'hui, des citoyens qui n'osaient même pas revendiquer. Je le dis, il y a de cela dix ans, beaucoup de populations de l'intérieur du Sénégal estimaient qu'ils n'avaient pas droit à des routes bitumées, qu'ils n'avaient pas droit à des infrastructures hospitalières, éducatives. Donc, venir ici vous dire que votre président, le président de la République, Macky n'a pas de vision, on peut le tolérer en démocratie. On peut l'admettre ici à l'Assemblée nationale. Mais ça restera ici dans l'hémicycle. Parce que le monde entier, aujourd'hui, le deuxième nom du président Macky Sall, c'est la performance. Performance économique, performance pour les infrastructures, performance dans l'éducation, performance dans les ouvrages hydrauliques, performance dans la mise en œuvre et la facilitation apportée aux populations pour accéder à l'eau, à l'électricité, aux infrastructures de transport. On vous l'a dit, sur la base de cette vision qui s'appelle Plan Sénégal émergent, que tout le monde admet, sur la base des programmes qui sont mis en œuvre, PUDC en train d'être modélisé dans la sous-région, Puma, Promoville, le monde entier admet que le président Macky Sall fait partie des présidents africains les plus visionnaires. Une vision qui repose et qui est aiguisée par sa connaissance du pays, par sa connaissance de l'État, par sa connaissance des aspirations des populations. C'est pourquoi j'estime que c'est les résultats aujourd'hui qui parlent. 1862 kilomètres de route revêtus en 12 ans, en moyenne 260 km de route par année, 191 km d'autoroute en 5 ans, en moyenne 38, km par année. Nous avons trouvé ici 32 km d'autoroute. En 12 ans, 32 km d'autoroute depuis que le Sénégal est indépendant. 191 km en 5 ans c'est 38 km au moins par année dama ne doxu waxambaane bokkul ak doxu nag gumba yi ak màgget yi Moy mooy wax bi 6000 kilomètres de piste nous devons xaalis bu bari ci dëkk bi pour défendre yoon parce que le président de la République xam na ne mais yoon yi bu ñu ko defarul ku bay ba pare walla nga wala nga napp fan ngay jaayee li nga yor boo bayee sa ceeb fan ngay jaar pour def ko pour jaay ko fan ngay génn parce que route aussi facteur d'intégration la tey bu ñu amee CEDEAO wala UEMOA sénégalais yi nekk en résidence surveillée mënuñu génn loolu mu si la donc moo tax mu jox fulla bu baax ci plan Sénégal émergent infrastructure routière yi moo tax résultat bi ñu am sur le plan économique booy xool investissement yu massif yi ñu def ci infrastructure de transport de manière générale indi kon a gërëm ko bi cette dynamique de réalisation des infrastructures sera poursuivie renforcée dans l'intérêt des Sénégalais et des Sénégalaises